الله أكبر لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير البرية سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين Amma Toute la louange et la gloire à Allah, le miséricordieux, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix, la bénédiction et le salut d'Allah soient sur le sceau de tous les prophètes, le prophète de la miséricorde, le prophète de l'humanité, qui n'a rien laissé sans, sans enseigner à sa communauté, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui, sur sa famille, sur ses compagnons, et sur tous ceux qui suivent et suivront sa voix, ses enseignements jusqu'au jour du jugement dernier. Chers téléspectateurs de la Sona TV, nous vous adressons avant tout, propos la salutation de l'islam, la salutation du paradis. Et nous vous disons Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous et que le Seigneur Allah vous accompagne dans toutes vos activités, qu'il vous rend facile toutes vos difficultés, qu'il guérisse toutes nos maladies, qui nous comble de ses bienfaits et qui nous oriente tout au long de notre vie vers le bon et le droit chemin. Chers téléspectateurs, nous nous approchons de fin du mois de décembre et qui parle de la fin du mois de décembre parle de nouvelle année grégorienne et parle de la réveillon et parle des préparatifs de ce que nous appelons communément Nouvel An. Que dit l'islam de cela Quel comportement le musulman doit avoir par rapport à ce jour Le Noël a déjà apporté ces, comportements et ces réalités, nous faisons maintenant face à, au nouvel an. Nous disons quel comment devait être le comportement d'un musulman et quel est le sens de ce jour en islam. Chers téléspectateurs, si vous essayez de faire un tour, soit dans notre pays, dans beaucoup de pays, même dans des pays dits pays islamiques. Et vous visitez les différentes villes, je vous assure que vous allez méconnaître certains pays dits islamiques. Vous allez les méconnaître. Des anciennes informations que vous aviez de ces villes par rapport à l'islam pendant ces jours, pendant ces préparatifs de Nouvel An. Vous allez vous dire, vous êtes où Par les décorations par ici, par là-bas. Celui de Papa Noël, nous en avons parlé par le passé. Ou c'est l'image de Papa Noël par ici, par là-bas. Le rouge et le blanc. Les chapeaux rouges qu'on porte ici, qu'on porte là-bas. Pour indiquer que pour indiquer qu'ils fêtent, et ils sont en train de fêter le Papa Noël. Et je pense que la véracité de cette fête n'est plus à démontrer. Et tout le monde connaît pratiquement que ce que dit l'islam de cela. Mais concernant de nouvel an, où on constate déjà, comme je le disais tantôt, dans les ruages, dans les carrefours, n'en parlons plus des boutiques, des étalages où les décorations de Nouvel An ont envahi déjà les, lieu. lieux. Vous rentrez dans la maison, même les maisons des musulmans, même les maisons des grandes dignités religieuses, même les alphas, même certains imams, où vous allez constater cette décoration indiquant l'approche d'un jour spécial dans leur vie, parlant de nouvelles Je dis, ce que vous allez voir comme aspect de joie. est ce que vous allez constater comme préparatif pour accueillir ce jour considéré comme le début, le début d'une nouvelle année va vous amener à douter de vous-même, à douter de ceux qui vivent avec vous, en vous demandant qu'est-ce qui se passe. On s'apprête pourquoi en réalité. Chers téléspectateurs, comme je le disais tantôt, lorsque vous vous dirigez vers les boutiques, les étalages par ici, par là-bas, les jardins, tout autour de vous change. Parce que un nouvel an s'approche. Je dis, à l'heure où nous sommes maintenant, les, préparatifs sont déjà à, point d'eau. Si c'est les fleurs, je pense que les vendeurs de fleurs et ceux qui s'en occupent sont à l'heure moment de commerce où il faut apprêter les différentes sortes de roses, de fleurs. Et si vous vous approchez pour savoir le prix, vous serez étonné. Est-ce que c'est la même rose qu'on avait l'habitude d'utiliser ou bien cette période, cette période a ses roses particulières Les salles de fête, n'en parlons plus. Les hôtels sont à pied d'œuvre pour attirer leur clientèle. Les clientèles étrangères et les clientèles clientèles de toutes sortes, soit ceux qui sont dans leur pays, ou bien ceux qui vont venir de l'étranger. Et vous verrez des préparatifs aussi pour les citoyens et non les étrangers. les préparatifs dans les hôtels pour ceux-là sont encore plus grands. Chaque hôtel vous donne des offres pour vous dire venez chez moi, venez chez moi chers téléspectateurs, vous devez déjà commencer par comprendre c'est quel genre de fête. Parce que les hôtels qui s'apprêtent, qui se préparent, qui vous donnent des offres en matière de, repas, en matière de chambres, ils veulent accueillir des étrangers. Ils veulent accueillir des gens qui n'ont pas de maison. Quel genre de personnes ils veulent accueillir pour cette nuit. Ça vous donne déjà le sens de cette fête. De l'autre côté, allez visiter les boutiques de vin, des alcools. Je pense que les meilleurs vendeurs de ce moment sont les vendeurs de vin et des alcools. On importe toutes les qualités toutes les qualités. On s'en va faire des prêts pour pouvoir acheter de grands nombres et des rotés de gamme de vin pour pouvoir apprêter cette fête Lorsque je parle de vin et des alcools, chers téléspectateurs, les gens se compétissent pour en procurer. Tenez-vous tranquille. Nos frères musulmans dépassent souvent les non-musulmans dans l'achat de ces bouteilles pour plusieurs objectifs. Pour plusieurs objectifs. Ceux-là qui se prépare pour la veille du 1er, du, janvier, du Nouvel An comme il l'appelle, et la réception réservée pour la veille, et de l'autre côté, les pots de vin à distribuer à leurs collaborateurs pour indiquer que voilà la fête de l'alcool, voilà la fête de vin, le champagne, les, vins à des prix exorbitants qui peut suffire un grand nombre de familles pour survivre pendant des mois. Et on est heureux, on est content que nous sommes en train de détruire notre vie en pensant que nous sommes en train de construire une nouvelle année. Les médias sont aussi au rendez-vous. Les médias, soit écrits, visuels, audio, tout le monde accompagne la fête. Et vous allez entendre des communiqués ici, vous allez entendre des invitations par là, à travers ces médias qui vous invitent à aller vers tel hôtel, vers telle boutique, vers Et tout le monde. Et aussi, ces médias parlant de la télé, par exemple, qui apprête déjà des émissions spéciaux, des émissions spéciales pour, pour, la veille, pour cette fête. On attend toujours la nuit de, du Nouvel An pour faire le décompte des dix dernières secondes. Pour que chacun fasse ses manifestations à sa manière. Les différentes bouteilles de vin dans la mer. Les hôtels, les chambres d'hôtel sont remplies par des jeunes, des âgés, des différentes personnes. Les rues, par ici, par là-bas, sont pleines, sont envahies par ceux qui sont en train de fêter cette fête. Vous allez voir toutes sortes de perversités à la veille de ce jour. La fornication, les îles, n'en parlons pas. La dépravation de mœurs de toutes les, de toutes les qualités. Et vous allez voir toutes sortes de péchés à la veille de, cette fête. Même le shaitan, même, a souvent honte de ce qu'il voit pendant ces jours. Je dis, même dans des pays islamiques, cela se constate. On se demande qu'est-ce qui se passe au niveau de nous, nous les musulmans. Pour ne pas aller très loin, il est clair que cette fête n'a rien à foutre avec l'islam. Parce qu'une fête en islam ne se fait jamais dans le péché. Une fête en islam est une adoration. Et tout ce que nous venons de citer, quelle adoration vous constatez On ne constate rien. Tous les aspects de cette fête ne sont que les aspects la dépravation, de péché et de, de chercher à offenser la religion d'Allah et à se permettre le libertinage. Chers téléspectateurs, le premier point que nous pouvons tirer du comportement des musulmans par rapport à ce que certains musulmans par rapport à cette fête, c'est que beaucoup de musulmans sont tombés dans les différents pièges du shaitan. Et parmi les pièges du shaitan, c'est de vous amener à ressentir que vous vous êtes faible et que c'est d'avoir la complexité que vous, vous, que les, les, autres sont meilleurs plus que vous et vous allez chercher à les imiter dans leur comportement. Et chercher à imiter le non-musulman, soit chrétien, soit juif, soit qui quoi que ce soit, confirme la faiblesse de la foi, même plutôt le manque de la foi. Et quand la foi est faible, et quand vous perdez votre croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, je pense que vous rentrez simplement dans le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit Man tashabbaha Quiconque, se comporte comme une communauté fait déjà partie de cette communauté. Cette fête n'est pas notre fête puisque ça n'a aucun aspect de l'islam. Ça ne ressemble à l'islam à rien. Je ne veux même pas parler du fondement de cette fête. Je veux simplement parler des aspects que nous observons, que nous constatons de cette fête. Et c'est ce que je viens de faire. Qu'est-ce qui est islamique dans tout cela à part encore, à part que nous sommes en train de combattre l'islam, nous sommes en train de combattre les enseignements de l'islam avec cette fête. Et quiconque le fait, vous devez savoir que il est faible de foi, ou bien il n'a même pas la foi. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa nous dit la Celui-là qui se comporte comme les autres ne fait plus partie de ma communauté. Et le minimum qu'on puisse dire de cette fête que c'est haram. et celui qui le fait mérite le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers téléspectateurs, parlant du, du nouvel an, nous devions savoir que l'année 2023 qui commence est appelée année grégorienne. C'est les Romains qui ont initié cette année. Et comme j'ai toujours l'habitude de le dire ici, ils ont essayé d'ajuster les mois et les jours de cette année pour que ça corresponde à une réalité à leur niveau et que ça correspond à l'évolution du jour et que ça soit fixé et rester inchangeable de manière à ce que si vous aviez 1er janvier un lundi cette année, l'année prochaine, vous auriez le 1er janvier le mardi et que ça se succède. Raison pour laquelle ils ont ajusté les mois. Vous aviez certains mois 30, certains mois 31, et vous aviez le février qui sera 28 à un moment et 29 à un moment pour pouvoir permettre à cette année de ne pas changer l'aspect exact des choses. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous dit إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم Le nombre de jours en une année auprès d'Allah, c'est 12 mois. C'est cela qui est écrit dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, le grand livre d'Allah, à travers lequel il gère l'univers. Quatre mois sont sacrés parmi ces douze mois, ce qui confirme pour nous, musulmans, que l'année considérée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et à travers laquelle tout doit être géré dans la vie d'un musulman, c'est l'année lunaire. Rien que l'année lunaire. C'est par rapport à cela que vous serez interpellé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est par rapport à cela que vous considérez qu'une année termine et une autre année commence. Tout ce que vous êtes en train de dire, nouvel an, nouvel an, c'est par rapport à vos sentiments, par rapport à, ce que vous pensez. Ça n'a rien à foutre avec l'organisation de votre vie qui est gérée par Allah subhanahu wa ta'ala. Chers téléspectateurs, notre religion est la meilleure religion surgie pour l'humanité, ce qui fait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit toutes les fêtes qui ne sont pas les vôtres ne sont pas vos fêtes. Alors, quelles sont les fêtes considérées par l'islam Nous en parlerons après la pause. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la meilleure compréhension de sa religion, qui nous assiste à mieux adorer Allah et adorer Allah dans le sens de ce qu'il aime et non selon nos passions. Kalam pardon. assalamu alaikum warahmatullahi rahmatullahi wa tẹ́ ń wò yìí náà ní ìkànnì Sunna TV níbi tí àwọn onímọ̀ ti ń suriyas islam látọ̀rọ̀ Sunna TV ni no sunna nabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam ní gbogbo ìgbà ní kẹ́ ẹ máa wò wá tí ni o òun ló múlẹ̀ rẹ̀kẹ̀tẹ̀ yàtọ̀ yìí gbogbo mùsùlùmí lọ́kùnrin àti lóbìnrin ẹ jẹ́ ká máa wo Sunna TV ẹ jẹ́ àwọn ọmọ wa wo Sunna TV kí wọ́n lè bá ní ìmọ̀ tó péye nípa Sunna ìkànnì tó ń tàn mọ́lẹ̀ sínú ẹ̀sìn ni Sunna TV Yorùbá ẹ máa wò wá ní gbogbo ìgbà kẹ́sì máa kọ́ ẹ̀kọ́ tó péye nípa Sunna. alhamdulilah wasalaatu wasalaam ala rasulillah chers téléspectateurs le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il était arrivé à midi, il a constaté que les habitants de Médine avaient des fêtes. Ils avaient deux jours de fêtes. Pendant ces deux jours, ils dansaient, euh, ils jouaient, euh, ils se rappelaient des événements passés. Qu'est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les a dit Oh musulmans, écoutez-moi bien. Allah subhanahu wa ta'ala vous aime très bien. Et il vous a déjà Remplacé ces fêtes que vous aviez par d'autres fêtes meilleures. Pas d'autres fêtes meilleures qui ne seront que des adorations. C'est pour cela que le prophète Mohammed a informé ses compagnons à Médine en leur disant que deux fêtes sont prescrites pour vous par Allah subhanahu wa ta'ala. Ces deux fêtes sont la fête de la Tabaski, la grande fête, et la fête de la Eid al-Fitr, la fête de Ramadan. Si vous voulez vous réjouir, réjouissez pendant cette fête. Ne vous laissez pas emporter, ne vous laissez pas bléir par certaines personnes qui vous disent que Noël c'est pour les enfants. Vous voulez fêter pour vos enfants, fêtez pour, enfants, pour vos enfants pendant la fête de Eid al Les biscuits, les bonbons, les, les, chocolats que vous, que, derrière quoi vous courez pendant cette fête réservez les pour vos enfants pendant la ben, Eid Les jouets dont on vous parle, célébrez la fête de Eid avec ces jouets, avec vos enfants. Si vous visitez les pays islamiques qui ont compris, vous allez voir, pendant la fête de Eid la fête de Ramadan, c'est le jouet par ici, par là-bas, c'est le gâteau, c'est le, le, chocolat qu'on achète, qu'on partage. Et on célèbre cette fête comme étant la fête des musulmans. Pourquoi nous, pendant la fête de l'Eid fitr on ne constate rien de cela. Alors qu'Allah nous dit, si vous voulez réjouir, réjouissez de ceci. C'est ça la vraie fête auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car tout ce que vous allez acheter et que vous allez vendre pendant cette fête rentre dans l'adoration pour vous puisque cette fête, c'est une adoration. Et tout ce que nous faisons pour contribuer à cette fête rentre dans la droite ligne de l'adoration et vous êtes encore récompensé pour cela. Ce qui m'amène à vous dire que tout ce que vous allez faire, soit vendre ou acheter pendant cette fête de Nouvel An, vous êtes en train de contribuer dans le péché. Et vous serez châtié pour cela. Parce que celui qui contribue dans l'accomplissement d'un péché est complice dans le péché et aura aussi le même châtiment que celui qui accomplit le péché. C'est pour cela chers mamans, chers soeur, qui s'apprêtent, le, Noël s'approche, je ne sais quoi, fin de fin d'année, on fait des préparations, on fait des quoi par là-bas, on achète, on remplit les boutiques pour que, parce que nous voulons vendre pour ces non-musulmans qui veulent fêter et vous contribuer à l'accomplissement de cette fête sachez que vous êtes en train de vous tromper. Est-ce que vous vous rappelez de tout ce que vous avez gagné par les années passées Ça vous a rapporté quoi Au contraire, vous êtes en train de vous détruire en offensant Allah subhanahu wa ta'ala. Ces gains gagnés dans le haram ne vous, ne vous rapportera rien. Tout sur cette terre, c'est la foi, c'est la croyance. C'est l'amour en Allah subhanahu wa ta'ala si vous n'aviez pas un cœur sain dans vos activités et que vous soyez rattaché à Allah et, et, faites tout dans le sens d'aider la religion d'Allah subhanahu vous êtes dans la perdition. Chers téléspectateurs, le minimum qu'on puisse dire de la veillance, de la et de veiller la nuit du nouvel an, le minimum qu'on puisse dire que c'est haram. Sinon, ça pourrait même vous sortir de la religion. Il n'est pas permis à un musulman de fêter cette fête, car ce n'est pas notre fête. Les commerçants musulmans il ne vous est pas permis de contribuer à l'accomplissement de cette fête. Les aspects de cette fête, les ornements, les décorations ne doivent pas être une œuvre de musulmans. Ne vous comparez pas aux commerçants chrétiens. Il est dans sa fête vous, vous n'êtes pas dans votre fête. Le musulman qui décore sa boutique par les images de Papa Noël, par les arbres de Noël, par Nouvel An, par je ne sais quoi, il est en train de copier le nom musulman Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa est clair quiconque, copie une communauté fait déjà partie de cette communauté. C'est pour cela que ce qu'on puisse dire à nos frères musulmans, c'est de se mettre à l'écart de cette fête. Tant dans la célébration, tant dans la vente des articles et des effets liés à ces fêtes. Et d'exhorter, d'amener nos enfants, nos filles et tous ceux qui sont sous nos responsabilités à prendre congé de ces fêtes. Mais Chers téléspectateurs, je me demande, je me demande en réalité, est-il possible pour un peuple musulman de laisser ses enfants, ses filles s'apprêter pour cette fête Aller dans les marchés, dans les boutiques pour aller acheter des produits pour préparer cette fête est venu célébrer ça où Dans ta maison, papa. Dans ta maison, maman musulmane. Vous voulez passer la réveillon Comment Je me demande. Vous voulez tenir quel veille dans votre main Vous voulez faire le décompte des dernières secondes de l'année Comment de quelle année Et vous vous adressez à qui Et après avoir fini tout cela, vous allez faire quoi Inna lillahi wa inna Ce qui fait très mal, très très mal, c'est qu'il y a des parents qui n'ont pas d'autorité sur leurs enfants. Mon enfant est à l'université, mon enfant était à Paris, il était en Europe, il est, il est, il, est rentré pour cette fête. Et tu es assis, tu ne peux rien face à ses enfants. Tu seras interpellé devant Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement. Même ici-bas, tu seras déjà interpellé. Et je ne sais pas quel avenir tu es en train de préparer pour cet enfant que tu dis étant musulman, que tu passes éduquer sur la voie de l'islam. Le pire encore, c'est qu'il y a certains parents, certains parents musulmans responsables dans sa maison qui s'apprêtent déjà pour cette fête. qui s'apprête à célébrer cette fête avec eux. Alors, on dit en arabe, <laughs> si le chef de la maison est un tam-tameur qu'est-ce que vous attendez des habitants Ils seront tous des danseurs. <laughs> que le chef, c'est lui-même qui court ici, qui court là-bas, qui disent apprêtez-moi le verre, apprêtez-moi quoi Et ils s'apprêtent à tenir le verre, les dernières minutes, à votre honneur. Inna lillahi wa inna ilayhi Beaucoup de frères des maisons musulmanes sont en train de s'apprêter, d'apprêter de, maison, de tout nettoyer, de tout apprêter pour pouvoir célébrer la réveillant. Il doit veiller avec sa famille, ses amis qu'il va accueillir à l'intérieur de sa maison, musulmans et non musulmans. Chers téléspectateurs, même les amis de ses enfants, les copains de ses filles et les copines de ses garçons sont invités pour faire la réveillon avec eux. Qu'est-ce qui se passe pendant la réveillon Chers téléspectateurs, je vous pose cette question. Est-ce que vous aviez une fois, une fois, constaté une réveillon où c'est la sucrerie, c'est la sucrerie qu'on qu soulève et au son du corps, dites-moi, ça, ça s'est passé quelque part. Le Coran ne peut pas venir là parce que ce n'est pas le lieu du Coran. Ceux qui boivent les sucreries, on va les qualifier de quoi Ils ne sont pas à la moute. Ils viennent d'où Ils vont tomber tous malades. Alors le revenu est réservé pour quoi Est réservé pour les musiques. Et quel genre de musique et c'est réservé pour les vins. Et quelle qualité de vin Le champagne. Ceux qui n'ont pas de champagne, même les pauvres qui n'ont pas de champagne, achètent les sachets de champagne dans la rue. C'est ça la fête, là. C'est ça la réveille. Et toi, père de famille, qui ouvre ta maison pour le haram, pour le shaitan pendant cette nuit, et tu penses que ah oui, c'est la civilisation. Nous sommes, euh, euh, euh, je viens de la France, je viens de quoi que ce soit. Chers téléspectateurs, vous imaginez qu'est-ce qui va se passer Lorsqu'on soulève les verres de vin au son des musiques, les différentes sortes de musiques les, musique musiques de dépravation, les blues music, les quoi, je ne sais quoi. Tout était déjà apprêté pour cet instant. Comme je l'ai dit, ceux qui sont allés louer les hôtels, ceux qui ont envahi les bars, parce que ils n'ont pas de chez soi où ils peuvent apprêter pour accueillir les amis. Les nantis ont apprêté les maison, les jardins, et les amis sont là pour une réveillon de haram, une réveillon de péché, où tu t'apprêtes à offenser Allah subhanahu wa ta'ala. Chers téléspectateurs, je le disais, après avoir soulevé le verre, au son de musique, qu'est-ce que c'est C'est danser. Il faut danser. Toutes sortes de danses. Au-dessus, mais nues. elle vous préserve. C'est-à-dire, toutes sortes de harams sont appliquées il n'y a plus de honte. On fait tout ce qu'on veut parce que nous sommes en train de fêter le ha. La jalousie qui devait être pour un père de famille, pour un mari, un époux, n'existe plus ce jour. Vous allez voir un époux qui laisse son épouse à un ami même des fois à un ennemi, parce qu'on se dit c'est la fête. Où ce dernier va danser avec son épouse. Et d'autres relations vont s'engendrer de cela. Et on considère cela comme étant la civilisation. Il est temps que nous nous réveillons et que cette réveillon, celle de nous réveiller de cette perdition et de nous ramener à l'ordre. Je rappelle, ces parents, que vous êtes responsables en amont et en aval de tout ce qui se passe ce jour. Et vous serez interpellé devant Allah subhanahu wa ta'ala et sans doute, si vous ne vous répandez pas et retournez à Allah subhanahu wa ta'ala et promet que c'est la fin pour vous, vous n'allez plus jamais commettre cela, je pense que la suite pour vous ne sera pas bonne. Parce que quiconque offense Allah subhanahu wa ta'ala à la accorde accord de délai. Vous allez regretter tout cela dans votre vie, dans l'avenir de vos enfants, dans vos affaires, dans vos activités, parce que on ne peut pas offenser Allah sur sa terre, dans sa propriété, en faisant ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas. Vous êtes un homme qui a des difficultés à aider les pauvres, à sortir 10 000 francs, 100 000 francs pour contribuer à l'évolution de quelqu'un. Imaginez combien vous dépensez dans cette fête et dans le péché qui ne vous rapportera rien à part le péché, à part la destruction de votre vie, de votre propriété, vous ne savez pas qu'en faisant cela, vous êtes devenu la clé du malheur dans votre vie et dans la vie de votre famille. Alors qu'il y a tant de portes de bonheur que vous pouviez ouvrir pour aider les pauvres, pour aider votre entourage, pour faire prospérer vos affaires. Rappelez-vous tout le temps qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous dit dans le Qur'an. Oh, vous qui avez cru en Allah subhanahu wa ta'ala, protégez et préservez vous-même d'abord. Et maintenant, protégez et préservez votre famille, vos enfants, vos épouses, votre entourage. Protégez-les de quoi De l'enfer. Du feu d'Allah subhanahu wa ta'ala. En faisant quoi En les évitant de tomber dans le haram. Chers téléspectateurs, nous n'allons pas cesser de vous rappeler et de rappeler tous les musulmans qui vont chercher à célébrer cette fête avec les mécréants où il y a certains même alpha, le groupe d'alpha, qui s'en vont réciter le Coran aux non-musulmans. Ils apportent le Coran tout entier pour aller vers les non-musulmans. Et aller réciter le Coran pour ce non-musulman. D'abord, cet aspect, le fait de, de, de décider d'aller réciter le Coran pour lui, ça veut dire que tu célèbres d'abord la fête avec lui. Et tu t'en vas chez lui pour maintenant apporter le livre d'Allah. Toi, non musulman, ne le laisse jamais venir détruire ta vie si tu n'as pas compris. Tu penses que on met le bien avec le mal ensemble et tu lui dis de venir réciter le Coran pour toi. Le Coran est clair là-dessus. Quand on va te le réciter, on est en train de te mettre dans la perdition, on est en train de détruire ta vie. C'est ce qu'Allah a dit. C'est ce qu'Allah a dit. Il n'y a pas d'hypocrisie avec Allah. Tu n'acceptes pas la religion, tu n'acceptes pas le Coran, le livre d'Allah. Et tu vois qu'il y a une bénédiction dans ce livre. Venez, me jeter, jeter ça dans ma maison. C'est quoi ça Ça, c'est de l'hypocrisie. Ça, c'est de la moquerie. Tu te moques d'Allah. Tu te moques des musulmans. Tu te moques du livre d'Allah. Et vous, les alphas, en cherchant quelques sous qu'on va vous donner, je pense que vous vous rappelez d'Allah subhanahu wa que dans les différents versets d'Allah, ceux-là qui vendent, qui vendent la parole d'Allah contre quelques sous qu'on va leur donner. Qu'attendez-vous d'Allah vous les musulmans qui célèbrent cette fête, sachez que la fête en islam, c'est une adoration. Et les chrétiens aussi, ce jour, ils vont à la messe pour signifier que c'est une fête religieuse pour eux. Pourquoi tu ne vas pas à la messe avec eux et aller célébrer cela avec eux et quand tu es heureux et joyeux de cette fête, ça veut dire, comme Allah a dit, Allah dit, réjouissez-vous de votre fête, qui est la fête musulmane. Et quand vous réjouissez avec eux aussi, ça veut dire vous considérez cela comme, comme adoration, puisque la joie pour quelque chose, ça veut dire que vous aviez une considération pour, pour ça et que c'est quelque chose qui est grande et élevée dans votre cœur. C'est pourquoi vous êtes heureux et joyeux par rapport à cela. Sachez que c'est un danger pour votre foi. C'est un danger pour votre religion. Mais c'est tellement étonnant de voir les musulmans célébrer cette fête avec les noms la le croit. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ma yawaddu يود kafaru min من kitab wa dal mushriki an yunazzal alaykum min khayr min rabbikum » Allah subhanahu wa ta'ala dit les, le, le chrétiens, les non-musulmans n'aiment jamais que vous gagnez un bien. Allah qui l'a dit, ce n'est pas nous. Celui qui n'aime pas ton bien, et c'est derrière lui que tu cours. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit tous les espoirs servent de vous débarrasser de votre religion parce que ils ont la haine ils ont la haine pour vous et le Coran vous dit tout le souhait c'est que vous soyez des mécréants comme, comme eux et vous serez dans le même, dans, dans, dans le même groupe. C'est en ce temps ils seront contents avec, de, vous. Ils ne seront jamais satisfaits de vous jusqu'au jour où vous allez laisser l'islam et vous allez rentrer dans, votre, dans leur religion. C'est ce jour qu'ils seront satisfaits de vous. Ceux dont leur réalité est ainsi c'est avec ceux-là que vous allez célébrer quel genre de fête. Ça là, ça ne va jamais à l'encontre du vivre ensemble. On va vivre ensemble sans aucun souci. Mais ce n'est pas en, en, pratiquant sa religion que je vais vivre ensemble. La limite de vivre ensemble, de vivre ensemble, est claire. Quand il est dans, sa, dans son église, dans son adoration, rien ne me concerne de cela. On va se rencontrer, on va se saluer, on va on va se coopérer dans la limite que chaque religion donne à chacun. Il ne faut pas que vous compreniez mal et qu'il vous amène tout le temps à tordre la réalité en vous parlant de la cohabitation religieuse. Les religions se cohabitent sans aucun souci et met chacun à sa limite dans sa religion. Qu'Allah nous guide vers le bon et le droit chemin, qui nous comble de ses bienfaits, qui accepte de nous notre adoration et qui nous guide vers le bon العشواء سبحانك اللهم وبحمدك نشهد لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا